En effet, ce jour-là, tous les Nigériens ont été meurtris par les actes barbares qui ont occasionné le drame que vous connaissez, celui de la tragique disparition de huit personnes, dont six Français et deux Nigériens. Elles nous ont quittés dans des conditions atroces, mais le souvenir de leur mort restera gravé dans nos mémoires dans la mémoire des populations de Kouré. Je voudrais, en votre nom à tous, leur rendre un vibrant hommage et leur dire combien nous avons été affligés et meurtris par ce triste événement qui va conforter le gouvernement dans sa détermination à renforcer les conditions de sécurisation de notre pays.